Thank you. Fidèles auditrices et auditeurs euh, du studio Kalangu, bonjour à vous et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangu de ce mercredi 10 avril 2024. Bonne fête de Ramadan à toute la communauté musulmane. Au micro, je suis Ali Moukela Hussein, alias Seno et avec moi Fanta Chamsou pour la présentation. Bonjour Fanta, comment vas-tu Je vais bien Seno et Bien fêté Ah ouais, Super. <laughs> Alors nous avons quoi au menu ce matin Comme d'habitude Fanta, nous allons tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure avec euh, un flash d'informations pour commencer et aussi de la bonne musique 100% euh, nigérienne. Dans la rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, nous parlerons santé. Et dans la partie entretien du jour, nous allons écouter Madame Aichetou, maman présidente de l'association féminine pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale dans le bassin du lac Tchad. Et oui, toujours dans cette cette émission, il y aura aussi euh, du sport, un reportage régional, du loti avec euh, les femmes du studio Kalangu, sans oublier la culture linguistique. Nous allons clore avec les messages vocaux de nos auditeurs. L'édition est assurée par Adam Adawaki et à la technique, nous avons Abdelkader Tchambiano. Chers auditeurs, nous démarrons l'émission avec le flash d'information présenté par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour Fanta, bonjour Seno. Le flash d'information à présent. La communauté musulmane du Niger a célébré hier mardi 9 avril la fête de l'Aïd al-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan. À cette occasion, le chef de l'État, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Chani, a assisté à la prière au niveau de la mosquée de grande prière de Niamey. Après la prière, l'imam de Niamey, Cheikh Djibril Karanta, a prononcé un sermon dans lequel il a appelé tous les fidèles à l'union sacrée avant de prier pour le pays. Après la prière, plusieurs personnalités se sont retrouvées au palais présidentiel pour le traditionnel vœu de bonne fête au chef de l'État. Le sultanat du Kachina Maradi a organisé lundi 8 avril une activité culturelle dénommée Hawankaho à la devanture du palais du sultan, l'honorable Ahmed Ali Zaki. Cette activité culturelle a lieu chaque année en prélude aux deux grandes fêtes musulmanes, l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha. Le spectacle consiste à permettre à un boucher initié de dompter un grand et furieux taureau offert par le Sarkifawa ou chef de boucher taureau qui sera après le spectacle immolé et partagé entre les différents membres de la cour du sultanat. Le Sarkin Fawa, devant le sultan, a réitéré son engagement, celui de le servir corps et En acceptant cette promesse, le sultan lui offre un cheval harnaché, un grand boubou et un nouveau turban. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Tchani, a accordé une audience lundi 8 avril à une délégation de la CNPC conduite par l'ambassadeur de Chine au Niger, Yang Fang la coopération bilatérale entre les deux pays et les réalisations faites par la CNPC au Niger étaient au centre de cette audience à l'issue de laquelle le diplomate chinois a déclaré que le chef de l'État nigérien n'a pas caché sa satisfaction à l'amitié et à la coopération fructueuse entre la Chine et le Niger. La CNPC, société chinoise, a non seulement exploré du pétrole, construit une raffinerie au Niger, le pipeline de 2000 km de long, mais également beaucoup d'infrastructures dans les secteurs sociaux de base. Et c'est tout pour le flash d'information de ce mercredi 10 avril 2024. Merci Mokhtar. Et comme annoncé, chers auditeurs, en début d'émission, nous allons, euh, dans la partie entretien de ce matin, écouter la présidente de l'Association féminine pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale dans le bassin du lac Tchad, Madame Maman Aïchetou. oui, mais avant, on va bouger en musique euh, pour bien se réveiller. Et le premier titre de notre euh, sélection musicale 100% nigérienne du jour est à la nigérienne du groupe 227 Concept. C'est parti. bismillah Allahu jalla jama'in na Niger lale la ya bismillah Allahu jalla une na Niger On est dans l'ambiance, appelle-nous prince la jaillance Et toi là-bas, viens essayer la danse Gauche, droite, non, c'est pas la cadence Pipi, pipi, bouge à la deux C'est Kare se mola da algeta Mitinir kasa mandi batura Si t'es fier d'être Nigérien Viens danser à la nuit c'est pas grave si tu n'as pas de mise

بسم الله الله وجل اللهم إنني جاوب Il manga shiga Voilà, chers auditeurs, c'était la première pause musicale de cette émission Le Niger sur Kalangou. À présent, écoutons la première partie de l'entretien avec Madame Maman Aïchatou, présidente de l'Association féminine pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale dans le bassin du lac Tchad. To masha Allah kamar yau shekaru nawa da kuka kirkiri wannan kungiya ta. Da muka kirkira wannan Demil Says kenan zuwa yau ina gani ya kai shekara kamar takwas ko haka. Kamar mutane nawa ke da kai a cikin wannan kungiya ta ku a halin yanzu. Wallahi kungiyar mutane da kai da yawa ne tunda association ne groupement ne muka shirya groupement ne wajen mu groupement 11 groupement kowane groupement yana da hiye da mutum 20 akwai wanda suke da 25 30 20 to a jumulce dai mutanen da gare mu dai sun kai mutane 200 yanzu haka nawa kuka yaye a cikin wannan ayyuka da kuka yi? Yanzu ayyukan da muka yi ayyuka da yawa ne muka yi. Kungiyar mu ta farko aikin da muka yi aikin sabuli prodi cosmetic kamar su sabuli ne man shafawa ne wani man na kamar massage din nan kamar su da sauransu muka yi na farko. akwai na biyu kuma da muka yi akwai wasu kamar kwarya ne muke doka sai a yi mishi ado da kamar sai dai irin na da su ma a mishi ado shine ake kakkafa cikin daki su ma mun yi shi bayan shi kuma muka yi aikin fata takalmi da sak na fata kamar da particular da sauransu shi ma mun yi shi bayan haka kuma akwai wani tallafin da muka samu wanda muka ba ma mata su ma dabbobi su je su yi kiwo to mun yi aiki da cikin wani ayyuka na farkon yan mata ne muka koya ma aiki na farkon cosmetic inda wanga ado adon da ake yi su yan mata ne muka koya ma akwai wanda suke mamburkin gurfu ma mu ne akwai kuma wanda ba su mamburkin gurfu ma mu bane amma su ma mutum 63 ne muka koya ma kuma masha Allah har yanzu su suna nan suna aiki aikin su bayan mun koya musu mun yaye su ma suna nan suna ci gaba da aikin su suna yi kuma suna da tsakanin su kamar cikin lezuwatar gurfu ma wanda suke cikin angwani suna kaiwa suna sai da musu suna yi kama a takaice babu maza a cikin kungiyar ta a kungiyar mu da muka kafa ta zuwa yau babu maza duka mata ne muka kafa ta kuma mata ne muke aiki a cikin shi muna dokan maza mu yi suna koya mana da aiki. To kamar yanzu malama Aisha me ya ja hankalinki ne wajen kirkiro da wannan kungiya taki? Abin da ya ja hankali ka san inda muke yanki ne wanda adda kai tashin hankali da yawa. Kamar yanzu akwai yaki na Boko Haram da ake yi cikin wannan yankin nan. Wannan yakin in aka yi shi su waye ya shafa mata ne mu ne victim na farko mu ne za mu rasa maza mu za bar muna marayi a hannu kuma ga rashin aikin da zai zo muna zai tabarbare aikin gashi nan ko ina babu aiki Shi ne muka ce to me ya kamata mu yi sai sai muka ce to bari mu kirkiro wannan kungiyan muka kirkiro shi takan yiwa muna samu wasu mutane wanda za su ji tausayin mu su tallafa muna to alhamdulillah sai muka gani muna dan samun mutane wanda suke kakkama muna sai muka ga aikin mu yana kyau sai muka fara yin gaba dai muna yin ayyukan mu kin yi batu na ayyuka da dama kamar bangaren abin da ya shahi sabuli man shahawa kayan aiki na fata da sauransu a ina kuke samun waɗannan kayayyaki ne da kuke gudanar da ayyukan ku tun farko lokacin da muka fara muka daga ma yan fafka hannu da muka gaya musu su ne suke tallafa muna sai suka nemo muna mutumin kamar wanda commerçant wanda da su ma suke ba kaya suna yana saye yana kawo musu shine ta hanyar shi ne yanzu muka mu kudin mu shi muke aika ma shi commerçant yana difa shi muke aika ma shi yake tahiya Kano da sauran wurare yake sai kayan ya kamu na mai masalan kuma da yake nisa ne ake taya ake doka to masala ne a kai kamar mu samu kayan wanda muke so shine yake kawo dan da sino muna aika difa ne ake kawo mana su to yanzu kamar idan kuka yi waɗannan kayayyaki na sana'a naku akwai wajaje da kuke kaiwa domin ku bada su cewa da sayarwa tun da muka fara yau da cikin shekara takwas ɗin nan dai kullum muna yi mai har yanzu dai banmu da karhin da zamu iya ca zamu kai wani wuri cikin kaso gegime ne muke bar da kayan mu mutane kuma sukan saya sosai suna saye sosai ma mutane suna zuwa suna sai har gida yanzu haka ma suna tambaya akan ma banmu da wasu abubuwan da suke tambaya suna tambayan mu ina muna son kaza muna musu promise dai har yanzu ba yi ba to yanzu akwai kamar wani bangaren asusu ko wani abu da kuke yi domin ku dan tara wani dan abu haka idan kuka yi kasuwanci kuka samu kuka sayar eh muna da asusu ko wanda ba muka yayi kasan su ma suna yi yi kullum suna kawo mana kowane muwa akwai far inda muka aje musu suna kawo mana zuba cikin azusu akwai wanda mu muke da far social namu na kanmu leman gurbo makin su ma muna zuba namu alhamdulillah dai muna samun wannan abubuwan mu cikin kas mu akwai wani guntun abun mu dai wani irin sauyi wannan fuwaye naki ya kawo a rayuwar yan mata musamman wanda suke cikin kungiyar da akwai wahala diya mata kuma kuna ganin su mata suna shan wahala me yanzu kowa yana da aikin yi akwai wanda suka doki entreprise insu individual ma suna yi akwai wanda suke gama su biyu uku suna yi abubuwa dai gashi na alhamdulillah wallahi akwai sauyi da yawa tunda kowa yana da aikin yi babu ruwanka da wani sai ka ce mai miji sai ka kawo eh, maji ba maji ba yi miya ba kowa sai ba gishiri kowa dai yana tallafawa tsakanin juna da yake yanzu lokacin da muke kowa ya sani kuma abin da ya saida muka san rike waɗannan da aka yi na farko ba na yanzu ba lokacin corona shi ne ma ya sa muka samu dan masala sosai ma a cikin harkokin mu sai da abubuwan da za mu iya kawo da yawa ne tunda akwai guri da yawa da muka yi muka so mu gani duk mata duk yan mata na garin gegime da hacce wayarta na komin kin gaba da mu gani kowa yana da abin yi kuma kowa yana da abin kashe a aljihun shi Voilà, chers auditeurs, vous venez d'écouter la première partie de l'entretien avec euh, Mam Madame Maman Aïchatou au micro de Meini Abdoulaye. Avant de continuer, marquons une pause musicale, n'est-ce pas Fanta Oui, c'est nous. Et nous vous proposons le titre Zoutiata de Auta Boy et Rekia Moussa Poussi. kalli fuskata kana da hula kai ma sai ka sai ta hata babu mamaki so ba a mai wauta gare ka yau ni ma na bajja hajata eh zuciyata ta amince sai da ke za ta yi zama wanda ka so shi ya so ka ku daɗin rayuwa zuciyata ta amince so shi ku daɗin rayuwa E! Saki nake nema za a ki amince mu kar ki mutunce mu a ki karfata rasa hujja ba ban yi asara ba inda ma bauta ba jana cewa na fiye gaggawa san keke sawa in saki hanyata komai suka ce bar su Voilà, chers auditeurs, c'était le titre Zoutiata. Maintenant, retour au studio pour poursuivre avec la deuxième partie de l'entretien accordé par Madame Maman Aïchetou à Maina et Cette fois-ci, elle expose les difficultés auxquelles elles, sont, elles font face. kun so samu inda yake muna kai kai sosai ma masaloli muna da manyan manyan masaloli kamar masaloli na farko masalolin finance ma kamar yanzu tallafi ba mu wanda suke tallafa mana mun yi ta tallan kayan mu mun yi ta wannan akwai wanda suke ta mana promise su ce za su yi za su yi alkawali da yawa aka doka mana amma har yau bamu samu ba tunda in bamu samu tallafi ba abun namu gaba ɗaya ma zai mutu yanzu mata in ba sa samu su yi abu kuma suna yi abu kuma suna gani kamar bai ci gaba sai su gani kamar wanda ya shiga gaba shi ne yake samu wani abu yake ce a sunan shi sai su ce to suna ta suna gulman su suna wane ne su ce wannan abun da ake yi kai kurum ita ce muke daga ma suna ita ce take ci ita ce take alhali ko ni kuma ina neman in ce ga sunan da yau a ce sunan gari na ya fita kaza to shine ba a samu ba wannan na farko na biyu kuma kayayyakin da muke so le bon kalite kaya kamar na kwarai fata da muke so mai yi wasu takalma ba a samu su anan sai an je waje nyame ko hiye da nyame to fa a samu su a najeriya wanda ake kawo mana ba fata na wanda muke so bane na nijar kuma sada gare shi mu ma iya sayan shi shi yasa muke neman kamar masu tallafa mana inda sun tallafa mana zamu iya samu wannan kayayyakin kuma sai ku gani zamu yi abu da wanda kowa a duniya zai yi mamaki gaskiya muna da wannan guri tukun masalan gashi nan akwai masaloli kuma na rashin fahimta kamar a ce mutane mu ba su gane ba har yau abin da muke so mu gani suke kamar ba su ba muke ma kamar su gani suke kamar muna so mu sai da su ne kamar mu nuna ma mutane mu doki hotuna mu aika mu nuna wa mutane ga kuma mu mai suna haka suke gani alhali ko ba shi bane shine muke so da mun ka samu wani hanya da za mu shiga mayar ma wannan kungiyoyin namu eh, mambobin kungiyoyin mu kai su gane da abun nan da ake saboda su ne ake su ne muke so mu tada su ma babban matsala ne a gare mu kuma matsala kuma akwai na wajen fannin kuma ma'aikatan gwamnati da kuma lizotogite duka gaba su su ma har yanzu dai suna gani muna yi abu wallahi mayar ne kadai cikin ma. mer ne kaɗai wanda kullum iya gani yana ce mini gaskiya yana alfahari da ni abun nan da na kawo amma babu wanda zai bude bakin kishi ce gashi abun da muke yi kuma yazo zo ya gani ko mun kiraye su ba sa zuwa su gani na uku kuma wurin da zamu zauna mu yi aiki dama gidan haya ne gare mu kasan kuma gidan haya yau baiwa yanzu mun tattara kayan mu mai da su gida babu gida ba mu da wurin aiki kuma kayayyakin aiki kamar a zo a ce mashin yanzu wasu mashin mashin din nan sada gare su ban ma samu su mashin su ma ban mu da su su ne masalolin mu cika ayyukan da muke akwai wanda suke bamu bayan baya akwai kasan komai magana akwai 'yan hasada 'yan hasada dai ba a rasa amma dai yawancin mutane duk wanda ya ji labarin mu sai ya ce mana ya jinjina mana gaskiya akwai wasu takalman da muka kai mai mayar ya sayi yana sa su kuna ganin shi zai ba ku mamaki irin su wannan suka ce mata su yi wannan takalma abun mamaki ne mutane da yawa suna yi yanzu madam mine ne kiran ku ga masu hannu da shuni musamman ma kungiyoyi masu zaman kansu cewa da proje proje da kuma bangaren gwamnati bangaren gwamnati na farko gwamnati ta tashi ta kama muna ta san da wannan mutane mu mutane mata mata ne wanda mun yi angajen kanmu muka ce mu da kanmu za mu rike kanmu za mu nuna ma kanmu mu mun isa muna kishin kasan mu kenan gwamnati ta san da wannan abu ita ma ta kama muna na biyu kuma wajen masu hannu da shuni proje da ONG kungiyoyi masu zaman kansu da sauran mutane wanda al'umma wanda suke ciki masu commerçant da wasu tashoran ne da wasu su tashi su kama mana su tallafa mana mu samu kayayyakin aiki don saboda mu gudanar da aikin mu yadda ya kamata muna son mu yi aiki amma sai ka gani kayan aiki ne yake samu kurum ban ma iya yin shi tun tunda in ka fara abu ma in baka da abun bai iwa ne ne to yanzu so muke da su kama muna mu samu kayayyakin aiki muna da kayayyakin aiki kenan wasu leprodi kanana kanana muna iya sayi mu aikin mu saboda haka gaskiya yana taimaka ga rayuwa al'umma gaba daya ma ba mata bane al'umma gaba daya ne Niger yanzu a zo a ce a gegime ne ake takalmi muna so a ce a gegime ne muke takalma muna aika ma yan yamai muna aika ma yan maradi yan kasashen waje ko ina a zo a sayi a ce mu ne yau muke rogurosir in kaya muna aika wani kira gare ki zuwa ga matasa masu zaman banza musamman ma matasa 'yan mata. Zaman banza ba lokacin shi bane yanzu a lokacin da muke ba lokacin shi bane fi bilila kowa ya tashi ya kama aiki kan mu rena aiki kowane irin aiki ne mu yi shi wannan zamanin kakannu ne yanzu duniya ta ci gaba kowa ne ta kan shi yake ba ta wane bane kenan shi yasa kowa ya tashi ya kama sana'an shi yanzu dai kake gani ka sa ka wanke ka ka sa takalmi ka huta baka da sai sai aljihun ka mine ne amfanin ka amma in kana sana'a ka cikin dottin nan da kake gani kake samu abubuwa da yawa wanda a zo na a gani kenan ya kamata kowa ya tashi ya kama surtu ma mata mata da matasa yara kowa ya kama aiki sana'a mu kama shi hannu biyu in ka doki mentality mun nan yanzu za ka gani wani zai ce ai ni ban na barin diyata ta je tana aikin fata aikin fata aikin su wani ne sai ka ji a cewa diyata ce bai kai diyata za ta zo ta ce tana yin wasu kwarya da wani waye wannan aiki ai ba namu ne a wani turaren wuta za ta zo ta jara bale da a jara a kamuna ni mu diyan mu kaza ne wannan akwai su jewa a cikin mai wannan bai kamata ba a fudda shi tunda shana'a ne ba wani sata bane ba karya bane ba wani hanyar lalata bane abun kware ne wanda hanyar da Allah ya ce mu yi shi cikin hanyar shi ne ake yi kenan su ma ole da su ma yaran su haka ko su doki kansu wani abu Voilà, c'était Madame Maman Aïchatou, présidente de l'Association féminine pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale dans le bassin du lac Tchad au micro de Maman de Abdoulaye Seno. On se retrouve juste après la pause. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Et à présent, c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire. Et justement, nous allons parler des santé. Tout à fait, Fanta. Et notre rubrique santé d'aujourd'hui nous amène dans la commune rurale de Galman, département de Madawa, pour parler euh, de l'accouchement à domicile. Pour en savoir plus sur le sujet, notre collègue Assouman Aboubakar s'est entretenu avec le responsable du centre, Dr Rabé Issoufou. On l'écoute. Par rapport à la fréquentation des femmes, je peux dire qu'elles fréquentent, mais pas comme on souhaite. Parce que du point de vue curatif, là on peut dire que la fréquentation est bonne. Parce que tant qu'on est malade, on va rapidement venir. Mais côté maternité, quand on dit maternité, on dit femme. Et c'est surtout là-bas la fréquentation souffre et plus précisément côté accouchement. Mais dans les autres prestations, les femmes fréquentent. Quand on prend volet CPNR, là la fréquentation est bonne. Mais quand on prend côté les femmes ne veulent pas venir accoucher au, centre. quelles sont les raisons La première raison, c'est que quand je suis arrivé ici, il y avait un problème là. Au début, on disait que c'était une formule qu'ils ont mis, soit disant que la femme ne doit pas accoucher dans une case de santé. Il faut obligatoirement qu'elle vienne au CSI. Et il y a des villages qui sont éloignés du CSI. Les femmes, vu la distance, elles préfèrent aller accoucher à la maison. Quand je suis arrivé, je me suis dit que c'est pas normal. J'ai discuté avec le responsable hiérarchique. Il a dit que normalement, même dans les cases de santé, on peut accoucher. Seulement, c'est dans, dans, la définition des cas, on peut distinguer un cas d'accouchement par un agent qualifié et accouchement par un non qualifié. Et on a fait en sorte qu'elle accouche dans les cases. Et malgré qu'on a mis ça en place, elles avaient déjà dans leur tête cette idée qu'elles ne peuvent pas accoucher dans les cases de santé. Et c'est ça qui continue jusqu'à là. Beaucoup restent à la maison pour accoucher. Ça, c'est une raison. L'autre raison, c'est lié aux cultures, parce qu'il y a des maris qui n'acceptent pas qu'un homme fait accoucher leur femme. Et si vous avez remarqué, ici, on n'a même pas de sages-femmes. Donc là aussi, c'est une cause. C'est tout à fait normal que certaines femmes restent à la maison pour... Donc ça, c'est les deux principales raisons à ce que je pense. Quel rôle jouent maintenant les matrones au niveau de la prise en charge de ces, naissances Presque toutes les matrones sont formées sur comment faire en cas d'accouchement à domicile, comment eh, gérer la situation, mais on les a interdits de couper les cordons. Dès qu'elles surprennent un accouchement à domicile, on a dit voilà ce qu'il faut faire. De bien protéger l'enfant et venir rapidement au centre. C'est ici on doit couper les cordons et faire le reste. Mais ici, honnêtement, je dois le dire, quelque part, les matrones aussi jouent un rôle, si on peut le dire, dans ce mauvais taux de fréquentation lié à l'accouchement. Parce que les matrones, quand elles accouchent une femme à la maison, il y a quelque chose qu'on leur donne. Et à cause de cette somme-là qu'elles reçoivent, elles aussi, elles favorisent cet accouchement à domicile. Est-ce que vous avez pris des dispositions ou bien qu'est-ce que vous faites pour motiver les femmes On a pris des dispositions. On a d'abord organisé des séances de sensibilisation, des rencontres avec les chefs des villages, des différents villages, avec les responsables des cases de santé. On a exposé la situation à la mairie. Et ce qu'on a pris comme disposition, on a fait convoquer toutes les matrones. On leur a dit voilà les problèmes qu'il y a, les conséquences de l'accouchement à domicile. Si une femme accouche à domicile, voilà ce qu'elle encourt comme risque. elle peut même perdre sa vie. Donc on les a sensibilisés, elles ont pris l'engagement que prochainement elles ne vont plus mettre la main dans ce genre d'accouchement-là. Et on a aussi utilisé des relais il y a des relais communautaires. On les a dit d'avoir un œil regardant sur les matrones et aussi sur les femmes qui continuent à accoucher à domicile. Voilà, chers auditeurs, c'était la rubrique hebdomadaire santé. Pour euh, notre troisième balade en musique Fanta, je vous propose, chers auditeurs, le titre Alam Najara, un titre de Nana Ayubanya et Yakbi. kaaga gatii baafuunsii iboroo mara. Asinda sikka woonee yanya beeri naa gate. Waraa algusee woroma namni kaanaa koron gate. Alabni jaala haraa nganoo irgoo gate. so bai a gaba da na karyawo ga diri kyar ta bai barkullo ga bai sai ga zaga su gaba ta kwai mo ni kayo wa wadda gini zalai dans ce titre, Nana Yubanya et Yakbi attirent l'attention des jeunes sur la vie quotidienne, surtout le vivre ensemble et le savoir-vivre. Et ce sont des notes sur un air amusant comme les chants de jeunes d'antan autour du fait. Voilà, chers auditeurs, après cette pause musicale, on passe à l'écho des régions, n'est-ce pas, Oui, Fanta, le reportage en région euh, d'aujourd'hui nous conduit directement à Difa pour parler de l'utilisation de l'encens. L'utilisation de l'encens est une coutume ancrée dans les traditions kanouri. Il est très apprécié chez les femmes comme chez les hommes et c'est aussi une aubaine des commerçants chez les femmes de cette communauté. Plus de détails dans ce reportage de Guidi L'encens fait partie de la culture canori. Il est très considéré, surtout dans les foyers de mariés. Pour savoir son importance, Haji Afana, une femme qui utilise toujours l'encens, nous donne des explications. Amfanin turaren wuta, turaren wuta aba ce wanda bare-bare suke cewa wanda shi ita sihiri ne amma halal. Me yasa aka ce sihiri halal shi yana mai hankalin mutum zuwa ga wanda ya yi turaren shi yasa yawanci ma al'adance kuma da addinance ma turaren wuta mace ce wanda take da zama take zaune a gida ita take yin shi don ta janyo hankalin mijinta kuma don ta nisantar da kanta zuwa ga wasu abubuwa kazanta ko kuma abin da kake shakan shi da wari hakanan dai yana nisantar wari turaren wuta al'ada ne na bare-bare kam mai kyau ne masha Allah. Fatima Adamu in Vandes Dansan explique les different types dansant. Turaren wutan ba kala ɗaya bane ba kala kala ne akwai wanda ake turara a jiki kuma akwai wanda ake turarawa a kaya kuma akwai wanda ake turarawa a daki kuma akwai wanda ake shafawa a jiki akwai sandal akwai al'ud akwai mai maka akwai sandal flare akwai sandal haka akwai durus akwai hawi akwai tafarce akwai farce akwai kumra akwai wayewa shi turaren wuta da yawa ne gaskiya shi wanda ya san turaren wuta kuma wanda ya saba turaren wuta in bai yi turaren wuta ba zai zama ba toujours pour Fatima Adamu la vente d'encens est un atout car elle arrive à subvenir à ses besoins sana'a ta turaren wuta yanzu ya kai shekara bakwai ne kuma gaskiya sana'a ta turaren turaren wuta ita sana'a ce mai inganci gaskiya saboda ni na tayi farmasiyon ma akan turaren wutan nan na dan gwaggwada wa mutane yadda ake yin turaren wutan ni nake hada shi da kaina ni nake sarrafa shi ba nan kadai nake sai da turaren wuta na ba har zandar ina zuwa agaris ina kai turaren wuta kuma akwai wasu mata da suke zuwa suna zuwa suna yin sarin turaren wutan saboda su ma su je su saida mu turaren wutan ne yanzu shine komi shi da shi muke alfahari ma shine komi a gare mu yanzu muka yi turaren wuta har wasu mata suke ana mallakan miji a je wajen malam a je wajen waya wannan ba mu turaren wuta ne kadai shine mallakan mu

un statut aux yeux de leur mari. Merci Guidi Abdraman pour ce reportages. Chers auditeurs, c'est l'heure du sport et nous sommes avec Gourouza Hasumi Bonjour Gourouza. Euh, bonjour Fanta, bonjour Seno. Bonjour. Merci. Merci beaucoup. À toi de même. Alors Gourouza, la Ligue régionale du sport équestre de Dosso a organisé hier la troisième édition du Grand Prix Meifada Bourema Bana, euh, jour de la fête de Ramadan. Oui, Fanta, c'est un événement qui se déroule chaque année et qui voit la participation des chevaux de la région de Dosso. Cette année, la Ligue équestre de Dosso n'a pas failli à sa tradition. Une course a été organisée à l'hippodrome de Dosso devant un public venu nombreux, surtout un jour de fête. Le président de la Ligue régionale de Dosso, Bana Bourema, explique l'objectif de cette course et sa particularité au micro de Nana Adizasan. Euh, vous avez dû remarquer l'ambiance, l'engouement de la population de Dosso ce soir, jour de fête. Nous, euh, en tant que Maifada du sultanat de Dosso, notre rôle, c'est de perpétuer nos traditions, nos cultures. Et c'est dans ce rôle-là donc euh, que nous avons organisé cette course de chevaux avec les différents jeux. Nous sommes à notre troisième édition. Et vous voyez bien que tout le monde est content, tout le monde est satisfait. Euh, une population sans culture, sans tradition, c'est une population perdue. Le 24 décembre, il y aura la fête de la Concorde. Et à cette occasion, habituellement, la Fédération nationale organise une grande course de chevaux. Euh, cette année, c'est prévu à Dosso. Euh, l'organisation se, se, passe bien à Niamey, mais nous attendons encore la décision finale de la Fédération nationale. Je demande à la population de toute la région de Dosso de s'intéresser à l'élevage des chevaux. Euh, plus on a des chevaux, plus aussi il va avoir d'autres gagnants. Voilà, c'était là le président de la Ligue régionale de Dosso Bana à au micro de Nana Adiza Hassan. Le Grand Prix et deuxième euh, Mefada a été remporté par les chevaux du président de la Ligue de Dosso, Bana Burema. Nana Hassan a rencontré également des jokers juste après la course. Il nous parle de leur performance et comment ils se préparent. na biyu na zuwa an ka tada da far da su ne sun ka tashi ni a baya nake amma daga an ka koyi kona dokin bai gajiya shine na kama su na wuce sahel na ce mai tubal ana ce mai tubal din to dokin ne yayi kokari yana cikin su na to na biyu so biyu da na guda na yi premier so guda to gudu dai yayi normal haka ne Allah dai shi kara kowane tashi ban taba tashi baya ba kowane tashi yana cin dai wasu sauran yan gaba a motsa jiki shi dai ne training da muke yi ai ita kuma training dawaki ne ake ma kullun ne doki in baka fashe mai training dole shi suko na Alhaji Burema mai fara doso duk dawakin da na hau na shi na sosai tunda tun yana dan yaro nake wannan suko ainihin nan garin ne Voilà, c'était là eh, quelques jokers euh, rencontrés par Nana Adiza Hassan. Gourouza, nous allons euh, faire la découverte d'un jeune joueur qui évolue dans la Super League nigérienne. Oui, sinon il s'appelle Ibrahim Litinin Abdullah. Il est âgé de 19 ans. Il a embrassé le foot depuis son jeune âge. Voilà trois ans que le nom d'Ibrahim Litinin est devenu familier euh, pour les amateurs du ballon rond. C'est en 2021 qu'il entre en scène lors du championnat de la Super League du Niger. Le jeune homme s'est imposé en tant que milieu du terrain des Verts du nouveau marché, le Sahel Sporting Club de Niamey, pour ses qualités techniques. Depuis lors, Ibrahim est devenu maître de son poste de milieu du terrain du Sahel car il s'est imposé de plus en plus sur le terrain. Litinine Ibrahima a pris part à plusieurs rencontres nationales et internationales au tournoi international UFOA B déroulé en 2023 au Ghana et à la Cannes U23 au Maroc et au Ghana également. le sociétaire du Sahel Sporting Club fait la fierté actuellement de son club qui est actuellement sixième de la Super League du Niger. Et pour terminer, Gourouza, parlez-nous du palmarès de ce jeune joueur. Oui, Fanta Ibrahim Litinin Abdoulaye a été double champion du Niger en 2019-2020. En 2021, éliminé malheureusement lors de la phase finale des préliminaires de la Ligue des champions africains. Voilà pour le sport d'aujourd'hui et bonne fête euh, sportivement. <laughs> Merci beaucoup, Guruza pour euh, toutes ces informations. Merci. Alors, sinon, on passe au portrait du jour. Oui, Fanta, le portrait d'aujourd'hui nous amène à la découverte d'Ali Dambouza, euh, un passionné de chevaux, au point où il a fait euh, de l'équitation un métier annexe à son activité principale. C'est lors du Festival international donc Iska que notre collègue Samira Rouafi l'a rencontré. Voici son portrait rendu au studio par Maman Ada. mai kimanin shekaru talatin da aihuwa mai tsayin mita ɗaya da saba'in mara jiki ali na buza direban taksi ne mai shawarar sukwar da wakai tun yana karami miki bayyana wannan halaka tashi mai karfi tare da doki ali ya ba da amsa na shekara 25 na harka sukuwa ina nan tare da waki ya mai kowane wala ya shiga doki hawan ba an gade shi bane a kowaya harkar doki sai dan gado dan ka kalle shi kawai ka zo ka shiga ba ita bane doki foki ya ce ka san shi tun gidan lokacin nan zaka san me yake so zama mai sukan doki da kuma samun wani aiki na daban ba abu bane ba mai sauki ya yake hada waɗannan ayyuka biyu mala ali su kuwa samdidi mun ne kenan kin ga daga landi jiska venderedi na dukan mota ta ta aiki mardiya ya an tarnama in zo in yi in hita jediya ya kwantar tarnama in zo in yi in hita samdi su kuwa Allah ya hawa dokin ma ni sai in ce mafi ma ka taksi gaskiya ni da wuri na ta dalilin sukuwar daukai ali na buza ya yi balaguro a cikin kasashe daban-daban na shiya kuma a kowane watanni uku akalla yana shirya gasa ta kasa da kasa cikin waɗannan yanayi ne ake zama mai sukuwan doki halaya dole sai an rataye in kika ci da sahe baki ci da rana eh dole sai babu yauni kin ga dukkan kilo 49 48 babu mai kanta kilo cikin mu sabili da ba a so a yi yauni bakin kilo 50 ne in ka wuce kilo 50 ba ka hawa doki bakin kanta kilo ne ya wuce kanta yana jin yaunin shi wallahi duka yanzu in kina da kilo 40 ina da da dawaki gudun su ya zam guda zaki ce da mintun da ni na hike yauni da kilo biyu ga suleiman abdulkadir ali na buza dan sukuwar doki ne da ya fice kuma mutum ne mai saukin rayuwa gaskiya na buza aboki na babba amini na kuma ya wasa nasarori ya samu kuma babu inda bai wasa kuma mutane da ya hau ke mai gudu wallahi sura shakku ne bai zai hasala shi shi ya yi wasa da kowa kuma ya yi zama da kowa Allah kara bisa hazaka da Allah aza a bikin kasa da kasa na doke iska na filinge mun haɗu da shi inda ya zo na uku har so biyu kuma ya bayyana cewa zai ci gaba da gudanar da yin gasa Voilà, c'était le portrait de Ali Dambouza, un passionné de chevaux, un portrait réalisé par Samira Rouafi et traduit en Hausa par Maman Ada. Voilà, chers auditeurs, euh, c'est avec le titre Dossa de Seini Mega que nous bouclons notre playlist musicale d'aujourd'hui. On vous laisse kiffer. Et voilà, chers auditeurs, euh, vous venez d'écouter le titre euh, d'Ossa de Seini Mega. J'espère que vous avez aimé. Alors, euh, chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez la réécouter sur notre site le www.studiocalangou.org. À présent, c'est l'heure pour nous de découvrir le loti du jour. Oui, c'est nom pour se sentir belle dans sa peau et plaire à son conjoint. La femme a besoin d'une hygiène corporelle particulière. Prendre soin de son corps avec un budget restreint, c'est bien possible, selon cette conversation entre Rafika Attaher et Rukaitu Abdraman. gambinya ni bai kan wai bor bori kadda ga hamsa kwaniya ni bai wala no ka ir mai ga furun da oho me gambinya zamir gu furborera ir gu koy chaido to dubar ga hamodin hawo sukanu ni bay kamante ba kaina haifo he har boda no kan gubar hawan di zambore gu zurbar borse <laughs> ai chara ban ti bore hinne nin din bon bumbo han foye ni ga hamo hawo gin zaka kai to kalmate irgo hina kulte susu bai dalmar kullir gogon yumai e eh, nimmo nyuma ya hinna suwasa har bobu yan gon kan himgabar wai borse alwati kulu sangale mu kai yan, wal mo kor gabiyan haddi ni gaba kon nyuma ni gille mu kai sombu ni ma dumbi hinka ni mu dumbar fadin sombu ni ma morgun din kor gabu ni min fatai din ga ham kai kulu zirin da kalambori mu batu minti fo kwai hinka ganim ko gunyumai to da ir ra, ni daga ham hawa ban sika kulsi wadin banda nimin kwahin yuman tadan nimin turara hauka na sai ni ga hamo ga nin bumbu ni ga mani ga kani aho me din ga hamo hawo kani bindani di zankam ma ba ka sanai ga jingai <laughs> Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était le loti offert par le desk femme du studio Kalangu. À présent, écoutons ensemble l'explication du mot de la semaine. Il s'agit de Zakat al en Zarma et ça sera avec Alassane Abdou, le rédacteur en chef du studio Kalangou, qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonjour Alassane. Bonjour Seno, bonjour euh, Fanta. Bonjour Alassane. Euh, je profite de votre invitation pour quand même dire bonne fête à tous les Nigériens et Nigériennes mhm. et à l'ensemble des auditeurs euh, du studio Kalangou. Euh, le mot que, les mots que nous utilisons chaque fois, c'est pour vraiment, euh, je veux dire ici, c'est en fonction de l'actualité et, aussi aider nos jeunes frères et ceux qui ne comprennent pas de voir les autres langues, de comprendre un peu comment on appelle telle chose ou telle chose. Euh, aujourd'hui, c'est pratiquement une prêche que nous allons vouloir faire, mais on ne va pas durer quand même. On va juste donner une ou deux phrases parce que les gens en connaissent déjà. Nous sommes dans un pays musulman. Nous allons parler de Zakat al-Fitr. Donc, Alhamdulillah. Eh, matkal fagai Chida, da hunkuna de irsala warse kalar kan bon haino bon bon haino de ga arsalam kulkan me hau kan no alomar adime hawa adime hawa bananta aga bon hayno ka bon hayno dina harno kan agonda eh, agwar slamay de bandega yadi no igba boray maka ima kamo burku kango ni wana alamiya lobra kan ni ngayandi ni himan da maka irwa tirse donai irwana eh, labaira haini no ga kada amma matkan alfaga indir faman da lazam irman yan igine bore se kan igi hinka kada ngari iri iri fo yan koine irgita ma kan me hawo kante eh, dungai da kan kamera islamai se irko ka kirke babunanta irga ngare irko kantin ko gam ka dugune tonton ya no bore kan gondi hina dirko ni yes no bore kan gonda lomar imin ganye zai ga ngai mo imu du hina duka me haw ku bori imin gai zakka ka zakkal barkantano no ki barsala kulmuka kan duka me haw zakat zakatal fitr amma zaram sanniga zanama yine bon hayno amma hmm. Manta hayni hinno bore himanda ka bay won sinigine zakatal fitr Merci beaucoup pour euh, ces explications. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un message en vocal ou écrit au 82 89 89 64. Et justement, nous allons écouter quelques messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. sunana studio kalangu to sai godiya zan ce abubuwa ne wanda yake ƙayatar da mu sama ma shirin na na eh, Nijar sur eh, Kalangu. Eh, shiri ne wanda yake ban sha'awa sosai ma yadda za ga wani bin an gayyato matasa ana tambaya su ko a gayyato wani sarmai bisa wani ko wani artist yana wanda za ka gani wanda kake so sai a zo a yi fiyar da shi. Ka ji duk abubuwan da baka sani ba game da shi ka sani. kuma shiri ne wanda yake ba da nishaɗi ana ɗan yi ana ɗan shakatawa abin da yana kayatar da mu sosai sosai ma abin sai godiya shirye-shiryen studio kalangu ta haka kuma nike ma amfani da wannan dama nike tura sakon barka da sallah zuwa ga masu sauraron shirye-shiryen studio kalangu na nan mata mai e, nike tura musu gaisuwa ta barka da sallah da ma na duka ƙasar Nijar gaba ɗaya. ne baba ya kawo mai shuraren radio kalangu ta hanyar radio FM da margu da haka nake godiya ina tura saƙon gaisuwa ta bisa kan murnar sallah da muka yi yauwa da haka ina gaida abokina sile dan fele ina gaida abu zaki dan fele ina gaida jallo ina gaida abdullahi fifa ina gaida alele mai adaidaita ina gaida baba ya ziku ina gaida mai gida na osh da ɗaya buɗan landa Salamu alaikum suna na Umar Mamman ɗan talaka mata mai. Muna jin daɗin shirye-shiryen Studio Kalangu. musamman ma game da shirye-shirye da ake na sha ɗaya zuwa goma sha biyu na rana muna ma jama'a kowa barka da sallah barkan mu da warhaka muna jin daɗin wannan shiri nasu assalamu alaikum uh, radio kalangu radio namu wanda muke jin daɗin shi ɗari bisa ɗari kuna tare da iliya adamu mai sauraron ku ɗari bisa ɗari daga nan tanut ina muku barka da sallah kuma ina amfani da waga dama domin in gaida na wanda muke tare da su yan fada mu akwai su lawalmi ko duka su ma masu sauraron ku ne su nura tela su habu ashiyar su ɗan inna shabde lin da su marabu Gabca, eh, duka dai abokan namu gaba ɗaya suna muku fatan alheri kuma suna gaishe ku suna muku barka da sallah assalamu alaikum assalamu alaikum mu dai yanzu dai abu na zamu hudi shine dan mu ce muku muna jin daɗi hudar take tsakanin mu da studio kalangu eh saboda muna jin daɗin alaka da ita eh mana saboda muna samun labarai na ƙasar mu na Nijar ba eh mana da ƙasar mu take ciki muna samun wannan labarin muna samun abubuwa da dama muna ƙaru. faruwa da ita salamu alaikum sunana lawali miko ansanyan aran ni ne ma'abocin shuraren radio kalangu ta bangaren radio fm da Bargu. ina muku barka da sallah kuma ina muku fatan alheri ina gaida abokaina da suke nan tanut kamar su Mangasi si su maragu ina gaida iliya ina gaida adamu ina gaida habu hr ina gaida sauran volantar ɗin na kurarushi Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voilà, chers auditeurs, ici prend fin cette émission de ce mercredi 10 avril 2024. Vous étiez en compagnie de Fanta Chamsou et moi-même Ali Moukela Ouseni, alias Seno. 50%. L'édition a été assurée par Adam qui à la technique Abdulkader Tchangbiano. Rendez-vous demain pour euh, un autre duo. Excellente journée.